Bienvenue à la grande édition de ce soir. Cela dit, à Niamey, la capitale nigérienne, l'utilisation du charbon minéral en mode pour l'agriade des moutons de la Tabaski. Qu'en est-il de son avantage au détriment des bois de chauffe Et c'est l'occasion pour en revenir là-dessus. Ralia Sami était sur les images de Kantama Ibrahim. La fête des Tabaski est la période par excellence de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon. On assiste à l'occasion de cette fête à une forte demande du charbon et du bois sur le marché. Mais pour la sauvegarde de l'environnement, les populations sont sensibilisées ces dernières années sur les avantages de l'utilisation du charbon, surtout minéral. Ce dernier qui est une source d'énergie très fiable qui permet de gagner du temps dans la cuisson de la viande de tabaski, c'est-à-dire la grillade, et aussi de l'énergie. Habo fils billahi mashallah alhamdulillah. Oh habo gono la ergnera. Gomna tono igbara bumbog bisa burkina wana. Oh. Le marché du charbon se porte bien, on ne se plaint pas. Il y a la clientèle. On a du charbon minéral et celui du Burkina. Le charbon minéral est bien apprécié par la population. C'est vrai que certaines personnes ne maîtrisent pas bien son usage. Ça va un peu avec la clientèle, mais on ne fera le plein qu'à la veille de la fête. À chacun sa manière de cuisson. Avant, on importait du bois de chauffe, mais comme c'est le charbon qui est le plus demandé, c'est ça que nous aimons car il est plus pratique et plus facile à utiliser. Certes, il présente des difficultés pour l'allumage, mais la qualité de la viande grillée au charbon est bien meilleure que celle grillée avec du bois. L'exploitation de ces derniers constitue d'ailleurs une véritable menace aux ressources forestières du pays, même si ces dernières années, les populations ont de plus en plus tendance à manifester de l'intérêt pour le charbon au détriment du bois, ce qui favorise de l'autre côté l'apparition de nouveaux petits commerces comme la vente des fourneau modernes utilisé pour la grillade à l'aide du charbon. La disponibilité des ustensiles de cuisine et autres accessoires constitue un nouveau décor de la capitale nigérienne, annonçant ainsi la fête de Tabaski. Qu'en est-il de prix et de la provenance de ces accessoires La réponse dans ce commentaire sur image signé Ramatou Omarou et Abdel Nasser Abdou. La fête de Tabaski, communément appelée fête des moutons, est une occasion pour plusieurs jeunes nigériens d'entreprendre plusieurs petits commerces des circonstances. C'est le cas de la vente des ustensiles de cuisine, à laquelle ça donne plusieurs jeunes qui se frottent les mains devant une clientèle de plus en plus nombreuse. Tous les marchés et même les rues sont inondés de ces ustensiles, machettes, couteaux, coupe-coupe, tenailles, pinces, fil de fer, broches, etc. et plusieurs autres accessoires en passant par les fourneaux modernes et même les nattes. Ils sont tous disponibles sur les marchés. L'ambiance bat donc son plein au niveau de ces revendeurs, parfois jusqu'au jour J de la fête. Notons que ces petits commerces de circonstances permettent à ces jeunes de subvenir à leurs besoins. Restons toujours dans l'air du temps le souci des uns, enthousiasme des autres pour évoquer la commercialisation des bétails que les acheteurs trouvent insupportable à quelques jours de la fête. Qu'est-ce qui explique cette charité Suivez plutôt ce reportage. À quelques jours de la fête Aïd al-Kabir, communément appelée fête de Tabaski, on retrouve des bétails un peu partout dans la ville de Niamey et ses alentours destinés à la vente. C'est une véritable activité économique qui constitue la commercialisation de ces bétails. On trouve entre autres les moutons, les brebis, les vaches, les chèvres, pour ne citer que cela, dont les plus utilisés pour le sacrifice est le mouton. Sa grandeur physique dépend des moyens de tout un chacun. Contrairement aux années précédentes, les bétails sont moins nombreux, mais le prix reste abordable selon les revendeurs les prix sont abordables. chacun aura sa part. Inch'Allah. Il y a minimum prix de, ça s'appelle quoi même, 100, 000, 150 000, 80, 90. Mais les gens sont en train de dire que les moutons sont chers. Apparemment, ce n'est pas comme ça. Tu viens au marché 50 eh, 000, toi tu veux un mouton de 5 000. Tu viens au marché avec 100 000, tu veux un mouton de 150 000. C'est ça qui fait que les gens retournent et ils disent que les moutons sont chers. Les moutons ne sont pas trop chers. Quoi. Les, clients les clients viennent beaucoup même. Ben, chaque, jour, il y a des nouveaux moutons qui viennent. Les gens s'en vont et ils payent, ils, viennent ici et puis ils revendent encore. Il y a différence. Cette année, il n'y a pas beaucoup de moutons. L'année passée, il y a beaucoup de moutons parce que les moutons qui sont au Niger et puis il y a d'autres qui quittent au Mali pour venir. Cette, année, pour Mali, ça ne rentre pas ici. C'est pour Niger seulement qui est là. Donc il y a différence. Cette année, ça va faire plus cher qu'année passée. Parce que les moutons ne sont pas beaucoup cette année. Moi, j'ai un appel à lancer à la population. Tout celui qui veut payer maintenant, il n'a qu'à payer. Il ne faut pas rester à la maison pour dire que tu vas rester jusqu'à veille, lendemain des fêtes, tu vas venir au marché tu payer plus cher et puis tu vas pas gagner bon mouton. Le sacrifice chez les fidèles musulmans est si important. C'est pourquoi, malgré la morosité économique, les musulmans font de leur mieux, chacun selon ses moyens, pour avoir son animal afin d'accomplir ses sacrifices. En principe, le sacrifice n'est valable que par l'immolation des blessures recommandées remplissant aussi l'âge légal de la bête destinée au sacrifice de l'aide. Quelles sont ces conditions La réponse avec Touré, un consultant islamologue. Parmi les animaux, nous avons d'abord le bélier, parce par importance, nous avons le mouton. Dans le mouton, vous avez le bélier ou la brebis. C'est ça l'important. Après, maintenant, vous avez le bouc ou la chèvre. Après ça, vous avez le, la, le bœuf ou la vache. Et après, maintenant, c'est le chameau et la chamelle. Le mouton, il faudra que ce soit un mouton de 6 mois 6 mois et quelques, quelques mois. Il faudra, que ce il faudra que ça soit un mouton qui atteint l'âge de six mois. Et pour vraiment les chèvres, c'est l'âge d'un an. En dessous d'un an, ça ne doit pas être on ne doit pas sacrifier euh, cet, cet, animal. Et pour vraiment la vache, il faut avoir, euh, euh pour la vache, il faut avoir euh, deux ans. Et maintenant, pour le chameau, il faut avoir 5 ans. Donc voilà ce qu'il faut immoler. Avant de clôturer cette édition, faisons un tour à Tawa pour évoquer ici la déclaration de soutien tenue hier au président de la République, Bazoum Mohamed. Et c'est une déclaration qui émane du bureau des femmes de la commune de Tawa du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD, à Kalkassa. Suivons un extrait de cette déclaration. Vu l'engagement et la détermination du président de la République, Mohamed Bazoum, à œuvrer sans relâche pour l'épanouissement du peuple nigérien en général et en particulier les femmes. Les femmes. Vu l'effort de la de du président de la République pour une paix durable, surtout l'entendu du territoire national comme l'attestant se multiples visites de travail de la zone affectée par le terrorisme, les trafiquants de tout genre de banditisme. Vu la dotation force de défense et de sécurité en matériel de la Fondation au profit des populations nigériennes, le bureau de la sous-section de l'organisme Femmes à Calcassa, OFAK, de, la commune de Tawa, apporter son soutien indéfectible au président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, pour tout ce qu'il a fait et qu'il continuera de faire conformément au programme de la Renaissance Act 3. L'encourage à poursuivre de l'effort pour mettre le terrorisme hors, hors des frontières du Niger. Remercie et félicite la première dame pour tous les dons en faveur des populations. Rien que ce 30 juin, la Fondation Nous de la Première a remis un important don à la population de la région d'Ottawa, composé de plusieurs tonnes de céréales, des ambulances et des motos. La première dame a également lancé le projet d'autonomisation des femmes et des jeunes à travers l'inclusion financière. Le bureau de la sous-section Organisation des, des femmes à Kalkasa de la commune d'Etawa, conformément à l'engagement du bureau national et de son président Alassane Itinika, appelle tous les Nigériens à unir derrière le président de la République Mohamed Bazoum pour un avenir Radio du Niger. C'est ici que s'achève l'essentiel de l'actualité de ce soir et restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir.